yéen la njëkk a waxal maa ngi rafetlu seen engagement c'est une détermination j'ai l'intime conviction que vous avez choisi le candidat de la paix vous avez choisi le candidat de la prospérité partagée vous avez choisi le candidat de l'émergence. Merci pour cet exceptionnel accueil. Je vous ma vos rendre un hommage mérité à feu Baye Jacques Diop. Rufisque a toujours eu de grands leaders à l'image de feu Aline Badarambengue. ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm dama bëggoon nuyu tous les responsables qui sont là di rafetlu cet élan d'unité li nga xam ne mën naa ko wax moi, uni uni ci qui est une ville traditionnelle mais une ville moderne aussi il y a un mois nous avons fait lancer les travaux du PSD le programme spécial de désenclavement. Je voulais vous dire ici, solennellement, ces travaux qui vont révolutionner Rufisque, qui vont permettre de régler les problèmes d'assainissement, les problèmes de voirie et de circulation, ces travaux seront achevés dans les délais requis. Damane, nous fi travaux yu programme spécial de désenclavement mu doon ay nous assainissement parce que Rufisque a un problème inondation problème voirie électrification je voulais vous dire ici à Rufisque ces travaux seront achevés les villes du Sénégal, toutes les villes du Sénégal seront modernisées. Maintenant, nous Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes d'accord Wa Dakar yéen lay historiquement Dakar moi capitale du Sénégal ñu am ci un consensus fort mais toutes les villes du Sénégal toutes les villes du Sénégal méritent d'être modernisées mais nag man du toxal capital kon ce problème est réglé yéen a ko war dimanche mooy ñi nga xam ni dañuy ñëw avec des idées farfelues di naxaate ngeen ne bàyyi Dakar va rester la capitale du Sénégal m'adressant aux jeunes je veux vous dire que je serai le président de l'emploi des jeunes le président de la prospérité partagée le président des femmes. Merci, merci, merci.